le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par une nouvelle attaque armée à Tira qui a fait un mort la semaine dernière. Dans la région de Difa, on note le retour dimanche de trois des 15 jeunes filles enlevées dans la commune de Toumour et deux, euh, deux garçons euh, qui se sont échappés des mains de leurs ravisseurs. L'actualité, c'est aussi la libération mercredi de l'acteur de la société civile de Zander, Yahya Badamassi, incarcéré depuis avril dans le cadre de la lutte contre la loi de finances 2018. Autre fait, c'est ce point de presse euh, du lundi de l'Union des étudiants Nigérien Nigérien à l'université de Niamey à travers lequel elle s'insurge contre le retard dans le paiement de la bourse, de l'aide sociale ainsi que d'autres questions en suspens. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukara Diaba de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision en Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar et, et, Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bienvenue, bonsoir. Oui, bonsoir. Commençons par cette triste nouvelle. Un stagiaire douanier qui a trouvé la mort vendredi à Tira dans une attaque perpétrée sur un poste de police proche d'un bâtiment en construction de la douane à l'entrée de la ville face à la recrudescence des, attaques armées dans cette région de Tilaberi. Le gouvernement a décrété la semaine dernière l'état d'urgence dans les départements de Saï, Torodi et Tira. Hassan Boukar. Avez-vous des précisions sur euh, les circonstances euh, de cette autre attaque à Tira, un, un, acte terroriste ou banditisme armé, selon vous Difficile à dire. Par contre, ce qu'on sait sur cette zone, c'est qu'elle est devenue vraiment une zone d'insécurité depuis quelques mois. Euh, il y a beaucoup d'attaques et la preuve, comme vous l'avez signalé, le gouvernement a décidé de prendre des mesures d'exception dans, cette zone. Des attaques non revendiquées. Voilà, euh, dans cette zone. Et du coup, euh, ça prolonge malheureusement la liste des zones de notre pays où la paix est vraiment mise à rude épreuve. Euh, cette zone frontalière avec le Burkina, avec le Mali, est considérée comme une des zones les plus difficiles, les plus dangereuses pour la paix. Et du coup, vous avez des attaques euh, contre les, forces de défense et de sécurité, mais aussi contre la des, citoyens. On voit bien ce qui se passe euh, pendant longtemps dans cette partie du Burkina. Avant, c'était la razzia chez les éleveurs alors, je, pense qu'il euh, y a peut-être beaucoup de choses qui se mêlent. Il y a les conflits traditionnels que l'on connaît, euh, avec des voleurs de bétail, un peu tout au long de la frontière avec le Mali, où même lorsqu'il y a des conflits, c'est parfois des conflits qui sont réglés un peu plus facilement avec les autorités locales. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est peut-être la circulation des armes. Ceux qui se battaient avec le bâton ou avec des armes blanches ont aujourd'hui à leur disposition des armes de guerre et ça change tout à la fois pour les autorités, mais aussi pour les victimes de ces, de ces types d'attaques. Dans cette zone du Burkina, je pense que avant même que les choses ne prennent cette ampleur, il y avait quand même du banditisme aussi, il faut le relever. Pendant les braquages. Euh, voilà, pendant longtemps, par exemple, si vous quittez Fada Gourma pour arriver vers la frontière du Niger, il y a des convois. Il des convois pour arriver à Kanchari, comme si, euh, comme qui existaient entre Tawa et Agadez il y, a, il y a quelques années. Donc il y a ce banditisme aujourd'hui qui s'est métamorphosé ou qui s'est développé euh, avec euh, les conflits aujourd'hui qu'il y a dans la zone, avec des nouveaux acteurs qui sont arrivés, plus de moyens, plus d'armes et peut-être plus d'ambition, en tout cas maléfique dans, dans, cette zone. Et du coup, ceux qui ont fait les frais ces dernières années, ce sont surtout les forces de défense et de sécurité. C'est euh, c'est assez inquiétant parce que si vous regardez au plan national aujourd'hui, état d'urgence, depuis maintenant des années, à 10 fois, ça s'est prolongé à une partie de la région d'Ottawa. Aujourd'hui, ça fait presque un cercle le long de Tillabéri. Et finalement, en dehors d'une partie de notre frontière méridionale aujourd'hui, c'est comme si finalement ces conflits viennent aujourd'hui sur toutes nos frontières et ça fait quelque chose d'extrêmement inquiétant. Euh, c'est d'autant plus inquiétant que les conséquences à la fois pour la paix et la sécurité des populations, les conséquences sur le plan économique, parce que si vous dites état d'urgence dans cette zone frontalière avec le Burkina, vous réduisez les activités économiques, les va-et-vient des véhicules et tout ça. Je pense que les gens de différents savent que les choses. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez inquiétant qui se passe dans ce pays et ça doit interpeller tout le monde à Gary Amadou, une semaine après la décision d'instaurer l'état d'urgence dans ces trois départements, euh, nos correspondants locaux n'ont pas constaté de changement au point de vue sécuritaire. Les habitants vaquent à leur occupation habituelle, mais la peur au ventre pour certains. Comment expliquer cette situation je pense que si, on décrète l'état d'urgence, on devrait adopter quand même la méthode qu'on avait déjà mise en place au niveau de DIFA. C'est-à-dire qu'au niveau des villages frontaliers, là, il faut interdire la circulation des motos. C'est extrêmement important parce qu'on a vu l'impact que ça a eu sur le plan sécuritaire au niveau de DIFA. Donc c'est ça qu'il faut répéter. Vous ne pouvez pas décréter l'état d'urgence et puis laisser les gens circuler comme ils veulent à moto, alors qu'on sait que la plupart des bandits viennent à moto. Ils peuvent venir de façon sans anodine. sans donner des heures de circulation. Non, il faut, interdire les motos. C'est-à-dire qu'à à DIFA, on a interdit les motos tout le temps. Et ça a marché. C'est un frein à l'économie. c'est mais parce que les, bandits viennent dans les marchés, des, les marchés des villages frontaliers. Ils viennent s'approvisionner. Et donc, ils viennent et ils voient. Et deuxième chose, je pense qu'on doit, on ne doit pas exposer des éléments de police et de douane dans des postes frontaliers qui sont ainsi isolés et qui sont au niveau de la frontière. Il faut, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que soit on renforce les effectifs au niveau de ces postes-là de douane ou de police, ou bien on les recule, on les, on les, expose pas pour, pour, ne pas permettre à ce que les terroristes puissent perpétrer des attaques. C'est vraiment une situation, comme l'a dit Abba, qui, commence à devenir inquiétante parce que les terroristes là sont en train de devenir de plus en plus audacieux. C'est-à-dire que ce n'est plus un groupe nombreux, mais on envoie deux ou trois motards nest pas Ils viennent, ils tirent, tirent, tirent, et puis ils tuent une personne et puis ils retournent. L'impact sur la psychologie, elle est importante. Moi, ça m'a fait pitié, cet élève douanier-là, parce que lors de la sortie de la première promotion, moi j'étais à Tondibia, la dernière promotion des douaniers. Oui, j'étais à Tondibia. Et quand j'ai entendu que c'est un élève douanier stagiaire qui a été tué, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai vu un, soit un fils ou un petit frère qui tué à la fleur de l'âge. Oui, qui n'était qu'en stage. Vous voyez donc, j'ai dit, ça repose la, la, question. C'est-à-dire que j'ai vu que. Moi, j'étais à Tilaberi. À Tilaberi, il y a beaucoup de motos. Comme la plupart des villages qui sont un peu là. Beaucoup de motos. Et il faut faire extrêmement attention. J'ai dit, ce qu'on a interdit à DIFA, on doit l'appliquer au niveau de, la région de Tilaberi. En tout cas, des localités frontalières, là, interdire la circulation des motos à toute heure, à n'importe quel moment. Il faut. Parce que sinon, je vous dis, les bandits, là, ils traversent la frontière à moto, ils viennent dans les marchés, ils viennent parmi la population, ils recueillent des informations, ils retournent, ils préparent leurs attaques, ils viennent. Et ils retournent. Et voilà. Et donc, la, le pire, la, pire des choses, c'est que, que euh, la population, par peur de représailles, elle ne dénonce pas. Parce que certains connaissent les ASEAN. Et c'est ça le problème. Donc, il y a vraiment un double travail à faire, vraiment, sinon un triple travail à faire pour amener la sécurité dans cette zone-là. Boukar, vous avez quelque chose à ajouter Oui, par exemple, euh, par rapport à ce est garé, justement à dit, fois, une des mesures qui a été prise, c'est d'interdire carrément les motos. Mais je pense que c'est bien de faire le bilan. Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions par la suite, notamment des jeunes qui vivent grâce à ces motos-là, qui font du commerce, qui font des kabukabu, des petites activités. Il y a eu beaucoup de réactions et alors que l'insécurité était encore palpable, et c'est ça la DIFA, les jeunes disent qu'il fallait alléger les mesures, il fallait peut-être réviser certaines décisions et tout ça. On voit aussi les conséquences. Donc, à mon avis, puisque ce qu'on a vécu à Difa, il faut que ça serve de leçon. Et là, je suis d'accord avec elle. Il faut faire le bilan de l'état d'urgence à Difa. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a eu réellement un impact sur la paix Puis maintenant, ça permet aujourd'hui de mieux envisager ce qui se passe sur cette zone-là. Parce que, bon, malheureusement, on ne sait pas quand cette situation va s'améliorer. Issa Madougou, pensez-vous que le recours à l'état d'urgence pourrait être la solution à la récurrence des attaques dans la région de Telabéry Déjà, comme le, dit euh, le communiqué gouvernemental, c'est pour faire face à cette situation de sécuritaire. Mais je pense que le fait que euh, on passe de 5 départements à 8 départements démontre... Dans la région du Tilabéry, il n'y a que Kolo qui n'est pas... Euh, Kolo, Filingue, Kolo, mhm. qui ne sont pas concernés. Donc, c'est comme l'a dit Abba, c'est toute cette bande frontalière. Parce que le problème sécuritaire au Niger, il faut le dire, nous avons des problèmes au niveau de, nos frontières. Et c'est là-bas que... Vous voulez dire que les frontières sont poreuses hein? Elles sont poreuses et nous n'avons pas les moyens adéquats. C'est pour cela que je salue aussi cette coopération entre ECAP et Niger qui dotent le plus souvent nos forces de défense et de sécurité de matériel adéquat pour faire le travail. Mais ce n'est pas suffisant, il faut que le Niger aussi investisse. Parlons de l'état d'urgence. On a vu depuis septembre 2017 où il y a les cinq départements, Bankilare, Ayoru, Bani Bangu, Abala, Walam qui sont concernés. Là-bas, c'était des zones pastorales où il n'y avait pas assez de mouvement. On a interdit les motos. C'est pour cela que j'aimerais dire qu'à Garé, on ne peut pas faire mm, appliquer les mêmes mesures euh, dans les mêmes localités. Parce que chaque localité, a une, réalité. Et que c'est quoi la réalité de ces zones-là Les trois départements qui sont concernés par l'état d'urgence, Terra, Torodi et Saï. Terra a été plusieurs fois victime des attaques. Il y a collé à la frontière et tout récemment avec le jeune euh, douanier qui est décédé. dit nous avons la frontière également. Tout, euh, il y a eu des gendarmes qui ont été tués. Il y a un, eu prêtre, euh, un prêtre qui a été enlevé. Et, mais ça, c'est ce qui est plus surprenant aucune attaque n'a été notifiée dans le département. Mais je peux dire que c'est à titre préventif que l'État a pris euh, cette mesure parce que nous savons que cette partie du Burkina fait face à une insécurité vraiment euh, que le Burkina même n'arrive pas à contrôler parce que chaque il ne passe une semaine sans qu'il y ait des attaques avec suivi de morts d'hommes. Voyez-vous un peu là-bas, c'est et compte tenu de la porosité de nos frontières, il faut prendre des mesures. Mais ce qu'il y a, avant de prendre les mesures, est-ce qu'on a eu le temps d'évaluer l'impact qu'il y avait eu l'état d'urgence. C'est ce qu'a dit Abba. Oui, c'est parce que je pense qu'il faut d'abord évaluer cela et voir comment l'application. Et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe dans l'application de ces mesures Vous savez, c'est les cadres de commandement et l'armée qui, qui, sont au devant de la scène, parce que ça donne le pouvoir à, à l'armée d'intervenir. Et qui est là pour servir de pont entre les Il y a les autorités locales, tant que les, maires. Oui, les maires et le cadre de commandement. Mhm. Mais est-ce que ces gens-là font réellement leur travail le travail, c'est ça qui n'est pas fait. C'est pour cela Que les autorités locales doivent être nécessairement impliquées. Eh, non, ils, leur, ils sont même impliqués, mais c'est eux, certains, qui ne jouent pas leur rôle. Par exemple, quand vous prenez euh, dans le nord, euh, euh, Rapidement. dans le nord Walam, l'état d'urgence a, a, vraiment a, eu des effets escomptés. Parce que, pourquoi c'était une zone pastorale, il n'y avait pas d'habitation. Maintenant, si on prend le cas spécifique de Torodi, Torodi, c'est une zone par excellence de commerce où il y a les échanges transfrontaliers. Voyez-vous, est-ce qu'on a analysé un peu la situation avant de prendre cette mesure pour pouvoir ne pas mettre à terre l'économie Parce que ici, ça touche l'économie nationale en entier. À Difa, quand on a pris les mesures je, pour euh, emboîter le pas à bas, c'est vrai, il y a eu des réactions. Mais ce qui est malheureux, on n'a pas pris en compte toutes ces réactions. Les gens, il fallait au fil du temps qu'on a pris quelques mesures, mais quand même, ça a tué l'économie, même l'économie nationale. Je, je euh, C'est pas pour dire que ce n'est pas la bonne solution, mais c'est une solution qui doit être euh, apportée vraiment en prenant en compte quelques éléments qui sont spécifiques à chaque région afin de juguler cette, euh, cette problématique. Parce que le problème sécuritaire au Niger, il faut le dire, c'est que c'est les communautés le plus souvent qui ne sont pas associées dans la prise de décision. elles ne sont, pas associées ou bien... Elles, non, elles ne sont même pas associées parce que c'est quoi le problème Soit il y a un problème de stigmatisation qui se pose ou bien il y a un problème de non-consultation euh, dans la prise de certaines décisions. Vous savez, et, pour prendre certaines mesures dans des situations douloureuses, euh, il faut prendre des mesures qu'il faut. Parfois, on sait très bien que ça peut avoir des impacts sur le plan économique. Quand l'état de ça a été, quand l'interdiction des motos, l'interdiction de la vente de poivrons, mm. l'interdiction de la vente, de poissons poisson, séchés mm. a été prise, ce n'était pas de gaieté de cœur pour les autorités. C'était parce que simplement c'était douloureux, mais il fallait prendre cette mesure-là pour pouvoir endiguer ce fléau ce fleuve d'attaque qui était. Vous savez, des fois, il y avait eu des attentats. C'est vrai, comme l'a dit lui euh, Issa, au niveau de ça, il n'y a pas eu d'attentat. On peut dire qu'à ça, on ne peut pas interdire les motos. Mais les localités qui sont frontalières, je dis bien, du Mali, il faut interdire les motos. Je ne dis pas partout, mais il faut interdire. Parce que là, en ce moment-là, toute moto qu'on verra à une certaine heure, eh bien, on doit donner des ordres aux, militaires puisque que, euh, les gens se déplacent à moto. Mais toutes les attaques qui sont menées de ces dernières mois, c'est à moto. Mais c'est inquiétant ça. Mais c'est inquiétant. Des jeunes filles, des jeunes filles des villages de Blahardé et Bagué dans la commune de Toumour se sont échappées des mains de leurs ravisseurs dimanche, ainsi que deux garçons du groupe euh, des 39 otages euh, du Ngalewa. Gary Amadou, comment expliquer euh, que des otages s'échappent Comment analysez-vous ces faits Pour moi, ceux, que, ceux qui ont enlevé ces, ces jeunes filles, ces jeunes garçons-là, n'ont pas rejoint la base principale c'est-à-dire que certainement qu'ils étaient, ils étaient en sorte, euh, euh, avant d'atteindre leur propre base, ils étaient dans, une, dans un endroit, dans une forêt, en train de. Et là, ils ne pouvaient pas contrôler tout le monde. Vous savez, ça a eu lieu déjà concernant les filles de, Chibok. Il y en a qui sont échappées. C'est pas la euh, violence. La, oui, La violence, la violence ne pas totale, surtout la nuit. Donc, il y a des moments où les gens peuvent profiter de l'obscurité pour s'éclipser. Mais eh, je pense que euh, ça, ça, ne règle pas le problème parce que quand même, il faut, il faut savoir que les filles de Ngalewa, elles sont toujours euh, détenues. Les dernières qui sont enlevées, ce ne sont pas combien de personnes qui sont, qui sont revenues parmi elles. Donc, la problématique est toujours là. On peut, on peut euh, espérer avoir quelques nouvelles euh, de ces femmes et enfants enlevés. Oui, mais ces gens-là, si vous... Plus de 500 jours. Oui, 500 jours, mais ces gens-là, quand vous les interrogez, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont vous dire Oui, ils vont vous donner des informations capitales, par exemple. Le camp, ils vont vous dire que c'est en forêt, etc., etc. Mais bon, hein, est-ce que ces indications-là peuvent permettre de mener un raid ou bien... Parce que le problème, quand on mène un raid, c'est que euh, il y aura des civils qui vont mourir. Est-ce que nos autorités sont prêtes à faire des raids, ou bien qu'est-ce qui va se passer Ou bien on va négocier avec les terroristes pour libérer ces gens-là et leur donner de l'argent, puisque ça a eu lieu, n'est-ce pas Il y a eu quand même un député qui dont, les parents ont été enlevés, qui a été obligé de débourser de l'argent pour que sa famille soit libérée. Mais est-ce que l'État est dans une posture de négociation avec les terroristes pour pouvoir les libérer, ou bien c'est l'option militaire C'est ça la question maintenant qu'on se pose aujourd'hui. Il y a quelques jours, euh, les députés de la région de Difa avaient, dans une déclaration, euh, euh, sommé l'État de, tout faire pour, que, pour la sécurité dans, la région de Difa. Est-ce que, ces gens cela font allusion à la négociation, par exemple Non, ils n'ont pas parlé de négociation. Mais vous savez, ceux qui demandent la négociation, ils n'ont peut-être pas tort parce que c'est bien beau de venir sur un plateau de radio pour dire qu'il ne faut pas négocier parce que vous savez bien que vous n'avez pas un parent qui est parmi les gens qui, ont été enlevés. Parce que si vous avez un parent qui est parmi les gens qui ont été enlevés, vous n'allez pas avoir la même réaction, n'est-ce pas Vous n'allez pas dire ah oui, il faut faire un raid et puis il faut, il faut même s'il faut faire des sacrifices, non. Mais on est dans une situation où les terroristes ont besoin de l'argent et puis sur le plan de la communication, de monter la faiblesse des États la négociation va concourir à montrer aux terroristes qu'ils sont forts. L'option militaire va permettre peut-être de, pas de vaincre le terrorisme, en tout cas de, donner une raclée à ces terroristes-là. Mais il y aura certainement parmi les otages des gens qui vont mourir. Maintenant, c'est toute la problématique. Qu'est-ce qu'il faut faire Issa selon nos sources, ces otages qui ont fui euh, sont entre les mains des autorités à Difa. Avez-vous des précisions sur ce qui est espéré avec euh, ces jeunes Mais écoutez, ce n'est pas la première fois y a des rescapés de ces raptes. Même parmi Ngalewa, il y a deux petits garçons qui se sont échappés, qui ont passé des jours euh, à marcher dans la bourse avant d'arriver à un village où ils ont pu être euh, euh, ramenés à Difa, leur mère est venue les récupérer. Et en ce temps, on pensait qu'il y aurait des informations qui seront tirées à travers ces enfants pour pouvoir lancer des opérations, parce qu'il y a le renseignement. Le renseignement, donc on suppose que c'est un état, à base des informations, on va les utiliser à bonne notion pour au moins se donner quelques informations, mais rien n'était le cas. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui se pose dans ces cas d'enlèvement Est-ce du terrorisme ou bien du banditisme Parce que jusque-là, il n'y a aucun groupe terroriste qui en a revendiqué ces enlèvements. Est-ce que ce sont des bandits ou bien c'est un autre marché qui s'est développé où des gens aujourd'hui s'adonnent à enlever des civils et aller les revendre aux terroristes Parce que c'est ça, il faut essayer de, de toutes ces interrogations aujourd'hui qui font en sorte que cette situation devient un peu complexe et qu'on n'arrive pas à trouver vraiment la solution qu'il faut. Aujourd'hui, le problème qui se passe à Difa, c'est tout. Il faut. Moi, j'étais vraiment d'avis avec euh, le, chef d'État dans son euh, dans, son message, dans son adresse à la nation Pas dans son message, son dernier speech qu'il a tenu à N'Djamena lors de la réunion entre les trois chefs d'État du Tchad, mhm. Idriss Déby du Tchad et Buhari. Mais on ne peut pas être en sécurité si le Nigeria ne joue pas réellement. Comment se fait-il Est-ce que vous savez que depuis le début de novembre où Gachagar a été attaqué, est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est Damasak est la seule ville proche de la frontière qui est sous contrôle de l'armée nigérienne. Tous les, toutes les autres positions ont été, euh, euh, ont été attaquées et sont sous contrôle de, la branche d'Al Boko Haram, la branche d'Al-Barmanawi. Et pourtant, c'est la branche la plus dure, qui a plus d'armement. et comment nous pouvons faire en sorte de contrer cela si le Nigeria ne joue pas son rôle Parce que c'est ce qu'on ne comprend pas. Nous, on fait de notre mieux, on a, on a fait en sorte, à travers une force conjointe, Niger-Tchad, pour aller déloger les gens là jusqu'à Damasak. Maintenant, il revient au Nigeria de faire en sorte pour, pour occuper euh, les espaces. Pour pérenniser euh, ce taquis. Mais rien n'a été fait depuis des années. Aujourd'hui, dans quelques jours, on ne le souhaite pas. Mais Damasak risque de tomber encore. On risque de se retrouver dans la même situation euh, de 2015 où presque toute cette partie était sous le contrôle de, Boko Haram. Et voilà la problématique. C'est pour cela aujourd'hui, les gens sont libres de faire leurs allers-retours et aussi de notre côté. C'est quoi On a tout à l'heure je parlais d'information. Il n'y a pas de professionnalisme au sein même de la grande Miette. parce qu'aujourd'hui tous les bandits savent que tu peux venir la nuit faire ce que tu as à faire et répartir parce qu'il n'y a pas de euh, euh, course poursuite. Qu'est-ce qui fait ça C'est parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas dévoués à la tâche. Quand on s'engage pour quelque chose, par exemple pour l'armée, ce n'est pas des, des, petits métiers comme ça. On s'engage pour le drapeau. Donc, il y a certaines informations qu'il faut savoir là où les dire ou à qui les communiquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Quand vous parlez à Difa, dans la zone Toumour, regarde, les gens viennent à que. Ils attendent seulement la tombée de la nuit. Ils arrivent, ils font ce qu'ils font et ils repartent. Et c'est au petit matin, on lance euh, les, les, poursuites. Et c'est là, c'est évidemment qu'on n'aura pas de résultat. C'est pour cela aujourd'hui, on doit repenser la manière de lutter et faire en sorte que nous, de notre côté, si les autres n'arrivent pas à faire leur travail, que nous, de notre côté, qu'on mette l'ensemble de la communauté, tous les partis que ce soit civil et militaire, pour que la sécurisation, que enfin DIFA puisse retrouver la tranquillité. Les gens ont assez souffert, ils ont perdu tout. On sait aujourd'hui ces gens-là qui vivent dans les camps franchement, quand on connaît les réalités de cette région, la mendicité même avant, c'est un phénomène qui n'existe même pas. Abba peut me confirmer. C'est rare. Hassan, Boukara, euh, vous revenez de la région de Difa. Euh, quel est l'état d'esprit des habitants avec euh, tous ces événements tristes et pourquoi, selon vous, les autorités de Difa refusent de parler à la presse, ce qui n'était pas le cas avant Merci. Je pense que moi, je peux dire que globalement, euh, nos, États parlent très peu à la presse, il y a très peu de communication, en particulier quand il s'agit des questions sécuritaires. Et ça renvoie un peu à quelque chose que Gary disait tout de suite. Par exemple, vous n'avez pas de lisibilité sur la politique gouvernementale. Quel est son choix aujourd'hui Voilà un pays qui est confronté à un conflit depuis plus de 4 ans, mais on n'est pas capable de lire quelle est la politique. Est-ce qu'on considère qu'il y a des moments où il faut discuter Parce qu'on pense qu'ils détiennent 40-50 vies humaines et donc, en ce moment, euh, c'est un peu, ça rappelle ce que les Européens disent. Jamais des négociations avec les terroristes, mais on sait bien ce qui se passe, c'est eux qui les financent quelquefois. Alors, est-ce que nos États disent, on n'assume pas publiquement des négociations, mais on passe par des réseaux, on discute, on libère les vies humaines en mettant en avant ces vies humaines. Ou alors, est-ce qu'on dit, on est militairement préparé à les affronter, en ce moment on ne discute pas, quitte à sacrifier des vies, on part, on fait la guerre mais il n'y a pas de lisibilité parce qu'il n'y a pas de communication. Pour la population, à en tout cas les gens, euh, quand vous discutez avec eux, certains, je pense, que ont l'impression que finalement euh, l'insécurité prend de l'ampleur. Euh, au Niger, comme dans la partie nigériane, comme Issa l'a dit, les gens ont l'impression que les armées sont absentes. Et dès lors que les armées sont absentes de part et d'autre là de, de, la Komadougou, on sait qui occupe le terrain. Euh, je pense que sur le plan de la sécurité, les États quand même savent à peu près où se situe Boko Haram. C'est vrai que c'est une zone marécageuse du lac Tchad euh, qui s'étend au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Nigeria. C'est assez vaste comme territoire. Mais je pense que si les États le veulent, ils ont le moyen de le savoir. C'est vrai, euh, ce terrain est beaucoup plus maîtrisé par ceux qui sont là-dedans et qui vivent depuis longtemps. Au Nigeria, on a vu l'exemple avec Sambisa l'armée nigérienne savait bien qu'à un moment, Boko Haram s'était retranché. Mais c'était difficile elle était logée et pendant des mois, ils n'ont rien su faire. Là, le Nigeria va s'engager dans des élections pendant un bon bout de temps, donc tous les esprits seront beaucoup plus orientés vers les élections. Peut-être qu'il y a un lien entre les élections et ce regain d'intérêt de Boko Haram dans cette zone Est. Comme Issa Marugou l'a dit, il y a quand même des risques aujourd'hui qu'il gagne encore du terrain euh, dans cette zone du Nigeria. Plus il occupe du terrain au nord du Nigeria, plus il gagne. Euh, ce sera plus Toumour, c'est Difa aussi, c'est la région qui sera vraiment menacée. Et donc pour les gens, euh, un peu en rapport avec ce qui est arrivé à Toumour, par exemple. Les gens ont l'impression que ces gens, ces terroristes peuvent ils se Sentent plus en insécurité. Plus en insécurité. Ils ont l'impression que les terroristes peuvent attaquer quand ils veulent, où ils veulent donc, Est-ce que cela est dû au manque de coopération euh, de, de la, société, des populations est-ce que les populations ne, collaborent pas avec la la question, la question de la population est une question assez délicate. Pourquoi c'est délicat Lorsque, en tant qu'État, vous engagez des forces de défense et de sécurité sur un territoire, vous devez avoir l'opinion avec vous. Vous devez avoir les communautés locales avec vous. Il faut qu'elles fassent la différence entre des groupes terroristes qui menacent leur sécurité, qui est donc leurs vrais ennemis, et des forces de défense et de sécurité qui viennent les sauver. Lorsqu'il n'y a pas une distinction claire entre ceux qui sont considérés comme les ennemis et ceux qui sont du côté de la communauté, il y a un problème. Et là, ça suppose que vous travaillez la communauté. Ça ne va pas de soi. Si la communauté est convaincue qu'elle euh, doit collaborer avec l'armée, elle doit dénoncer les personnes suspectes, ces informations, elle doit les livrer, elle doit se sentir en sécurité lorsque l'armée arrive. Oui, en ce moment, vous gagnez la guerre. Mais sur le terrain, j'ai l'impression que ce qu'on voit, tant au Niger comme au Nigeria, il y a des moments où les populations ne considèrent pas nécessairement que l'armée est là pour les protéger il y, a une forte suspicion qui s'est développée parce que vous êtes sur un terrain de guerre. Les armées aussi, hein, elles ont leur grille de lecture. Parfois, c'est des terrains qu'elles ne maîtrisent pas très bien. Et donc, quelquefois, on a l'impression que les populations craignent à la fois l'armée, mais aussi les groupes d'occupation qui arrivent et qui font la guerre. Ça fait une situation extrêmement difficile. À Difa, c'est où je ne peux pas dire que la population ne collabore pas, c'est peut-être, euh, je n'ai pas des éléments d'appréciation, mais je suis convaincu qu'on ait gagné la guerre on ne peut pas gagner sans avoir l'opinion avec soi. Rapidement, vous il, faut, avez 10 secondes. Oui, il faut comprendre que euh, c'est normal que la population craigne les forces de défense de sécurité. Vous savez, les forces de défense de sécurité ont pour mission d'abord d'appliquer les interdictions qui ont été décidées par les autorités. C'est-à-dire les interdictions de circulation de motos, la vente, de, etc., etc., dans la population. C'est normal qu'il y ait une certaine antipathie. Mais moi, je veux vous dire, dans, cette lutte contre Boko Haram-là, aujourd'hui, c'est triste de le dire, le maillon faible, c'est le Nigeria. Mais le Niger, l'armée nigérienne est partie à Malafatouri, Damasak. L'armée nigérienne a géré ces deux localités-là pendant des mois avant que l'armée nigérienne ne vienne. Aujourd'hui, l'armée nigérienne se fait à, plate couture battre par, Boko Haram. Aujourd'hui, je vous dis, Buhari a un choix. Si Buhari veut avoir un deuxième mandat, il faut soit qu'il tue Shekau, ou qu'il tue Barnawi, ou qu'il arrive à libérer les filles de Chibok. Mais c'est clair, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu pour lui. Autre sujet, en appel mercredi à Zender, la justice a relaxé l'acteur de la société civile Yahya Badmassi, incarcéré depuis avril dans le cadre de la lutte contre la loi de finances 2018. Écoutons ces précisions de Maître Boudal et Fred Mouloul au micro de Mahamadou Moutari. Monsieur Badmassi Yahya retrouve sa famille, mais la retrouve tardivement après huit mois de détention. On se rend compte qu'il est innocent. Et c'est là, probablement, peut être le cas de Monsieur Sadatilia comme il a été le cas de tant d'autres. Cela doit intéresser tous les défenseurs des libertés parce qu'on ne peut plus continuer à se retrouver avec des acteurs de la société civile, avec des citoyens qui, pour avoir exercé leurs droits constitutionnels, se retrouvent poursuivis et même inculpés, ou accusés de procédures criminelles. Lui, Barmas, il s'en sort, mais sa date, il a continue de courir en prison et risque l'emprisonnement à vie. Nous ferons en sorte que toutes euh, les conditions soient créées pour euh, que M. Sadat il retrouve dans la légalité sa liberté et à travers lui pour que désormais personne ne soit inquiété pour avoir exercé son droit constitutionnel. Issa quelle lecture faites-vous de cette déclaration de l'avocat de Badamassi écoutez, on ne peut que se réjouir de la libération d'une personne qui a été euh, séparée de sa famille. Mais moi, je pense que dès le départ, comme ils l'ont dit, euh, c'est-à-dire, c'est chaque fois ce que je disais, quand une affaire est pendante devant la juridiction, il faut attendre que le juge se prononce. Il ne faut pas donner d'autres commentaires euh, pour envenimer la situation. Laissez les juges tranquillement faire leur travail et évitons de dire chaque fois que quand c'est à votre faveur la justice, la justice est rendue que la justice est indépendante. Moi, je pense que le fait, les huit mois là que Badmassi a passé, c'est vraiment euh, euh, d'attendre le fait, une, juste une épreuve de la vie. Aujourd'hui, aux yeux de, l'opinion, il a été blanchi. Voilà tout ce qui a été accusé et, abandonné par la justice. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est que pour le cas de Sadat, il on attend voir euh, euh, ce qui va se donner comme délibéré. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que même s'il il y a des choses qui se passent, c'est que c'est le fait d'interdire à certains citoyens la liberté de s'exprimer que qui fait en sorte que notre démocratie ne marche pas complètement comme si on le veut. Mais quand même, c'est bien d'abord entendre l'avocat, on peut espérer encore. C'est juste des épreuves de la vie qui arrivent qu'il faut savoir euh, euh, vivre vraiment avec une certaine philosophie et se dire que il y a des hommes et des femmes qui vont appliquer la loi et c'est ce qui est fait, fait euh, pour le cas de Barmassi. Hassan Boukar, à la veille de ce procès, Amnesty International a déclaré que les autorités du Niger doivent libérer Badmassi et Sadat qui ont simplement exercé leurs droits. Comment avez-vous accueilli cette libération et celle euh, que nous venons de suivre avec euh, Maître Boudal, son avocat Je suis très content pour Barmassi. J'ai eu l'occasion de le visiter, je crois, au mois de septembre. Euh, à l'époque, euh, je constatais déjà qu'il avait le moral, il avait le soutien de ses autres camarades de la société civile des Andes et qu'il lui rendait visite. Contrairement à Sadat qui est à Matamey, lui il est dans la ville des Andes, donc les gens peuvent venir un peu plus facilement lui, lui rendre visite. C'est une bonne chose. Mais j'ai fait le constat qu'il a fallu huit longs mois pour que les pour le blanchir. Pour que les juges lui disent les choses dont il est convaincu et qu'il n'a cessé d'éclamer, clamer, c'est-à-dire qu'il est innocent. Ce serait un peu huit mois de perdu dans sa vie, huit mois pendant lesquels, tout innocent, il est resté en prison. Les juges, les juristes nous disent, normalement, la liberté, c'est ça la règle. La détention, l'exception. Alors, on se rend compte que, franchement, je ne suis pas juriste, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que finalement, c'est la détention qui devient la règle. Pour un oui, pour un non, vous pouvez rester, et avec la lenteur des procédures judiciaires, vous pouvez passer des mois, plusieurs mois. Huit mois, c'est presque un an, je trouve que c'est long. Et à la fin, on dit non, il n'y avait rien, on s'est trompé. Il n'y a pas de réparation. mais, mais, les réparations, ça ne marche presque pas. Je ne sais pas si ça marche vraiment. la loi l'a prévu. La loi l'a prévu, mais ça marche presque très peu, au point où je pense qu'il y a rien qui ne perdent pas le, le, temps à aller chercher cette réparation. Je trouve que c'est. Il y a vraiment quelque chose à corriger de ce point de vue on passe tous ces temps. Et là, j'espère que Sadat pourra aussi être libre. Euh, le message du juge, le message il est quand même important, il ne faut pas le perdre, c'est qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec une loi de son pays, la loi des finances, on a le droit, et donc le fait que bah, si est appelé à manifester contre et que le juge ne retienne rien contre lui, malgré l'appel du, du, procureur, ça montre qu'on a aussi le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec une loi. Et ça, le message est important. Gary Amadou, date il y a d'un Damalam attend toujours son procès à Zander depuis huit mois. Quelles sont euh, ses chances Car selon l'avocat, au, vu des charges, euh, dit-il, risque la prison à vie. Non, euh, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. La prison à vie au Niger, je ne sais pas, mais ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas prononcé des peines de prison à vie. Je crois que l'avocat va quand même trop vite en besogne. je, trouve qu'il est excessif quand même. Euh, le journal Boudal, voilà. donc, je pense qu'il est trop excessif quand même dans cette expression. la prison à vie, non. Je pense que ces avocats vont se prévaloir du verdict qui vient de tomber pour Banmassi, qui est tombé plus tôt à quelques jours pour Banmassi, pour euh, essayer d'influer sur son cas. Mais une fois de plus, euh, ça prouve que le Niger n'est pas une république bananière. Le Niger est une démocratie. Est-ce que vous comprenez Je suis d'accord avec ce qu'a Le droit de manifester, moi, je suis, été toujours contre l'interdiction des manifestations. Je l'ai toujours dit, j'ai dit non laisser les gens exprimer leur colère, n'est-ce pas euh, Même s'ils ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de ce qui s'est passé au niveau d'Agadez où on voulait interdire l'arrivée des acteurs de la société civile dans la, région, soit disant que certains acteurs auraient euh, euh, soutenu la lutte contre la rébellion, blablabla. J'ai dit non. Et, moi, je ne suis pas d'accord avec leur, leur, point de vue, mais je me battrai pour que ces acteurs de la société civile puissent partir partout pour en tout cas véhiculer leur message, parce que c'est ça la démocratie, laissez-les exprimer. Et donc, je pense que, moi, je suis contre les interdictions, mais je suis aussi contre le fait que qu'on puisse détenir quelqu'un pendant plusieurs mois, qu'on puisse le libérer sans qu'il y ait compensation. La dernière fois, j'étais à une activité de la, la CNDH où j'ai posé la question à des juristes. J'ai dit, mais écoutez, moi, je ne comprends pas. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut faire plusieurs années en prison, n'est-ce pas Après, on vous dit non lieu. Vous êtes innocent. Innocent. Mais alors, ces trois années que vous avez passées là, qu'est-ce que l'État a prévu Ils me disent que non, oui, il y a des. J'ai dit, mais moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un être dédommagé. C'est pas normal ça. Est-ce que c'est des... vous pensez que cela relève des erreurs judiciaires Non, c'est-à-dire que c'est la bataille que nous devons mener. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été injustement euh, détenu, ou en tout cas qui a été détenu et qui a été relaxé, dont on n'a retenu aucune charge contre lui, eh bien, le, temps qu'il a passé, il faut qu'on trouve un mécanisme pour calculer. Ah Abba dit que les juristes lui ont dit qu'il y, y a la loi qui existe, mais alors il faut calculer ce qui doit lui revenir comme compensation financière et puis lui donner. Parce qu'en France, ça se passe. En France, quand vous faites 10 ans de prison pour rien, eh bien, euh, <laughs> après, vous vous retrouvez avec un pactole parce qu'on suppose, que vous avez perdu euh, euh, votre, votre, votre, temps pendant toutes ces années-là. Mais une fois de plus, j'ai dit, moi j'appelle les, les, maires à en tout cas faire tout pour autoriser les manifestations. J'appelle aussi les acteurs de la société civile, quand des interdictions sont prononcées qu'il puisse en tout cas s'y adapter, soit en faisant, en ça le juge de référé, ce qui est fait dans les régions. Parce que Zender, ce n'est pas comme à Niamey. À Niamey, c'est des actes de violence et des vandalismes parfois qui se passent. À Zender, plutôt, parfois, c'est des gens même qui saisissent le juge de référé. Hein. Donc, et puis, il n'y a pas d'acte de violence à Zender. Donc, vraiment, je pense que ça doit faire réfléchir les gens. Sur tout un autre plan, le retard dans le paiement de la bourse de l'aide sociale ainsi que d'autres questions en suspens étaient dénoncés euh, dénoncées lundi à Niamey par le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le secrétaire général de l'UNUN, Arif Hassan, donne des précisions. On l'écoute. Ça fait aujourd'hui cinq mois que, en tant que comité exécutif des lunes nous avons entrepris toutes les démarches responsables qui vont dans le sens de nous éviter de boycotter ou de perturber les activités académiques. Nous avons rencontré le Premier ministre, ça fait aujourd'hui trois mois. Nous avons vu le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons soumis des questions que le Premier ministre a jugé nécessaire de répondre urgemment, mais au bout de ces trois mois, aujourd'hui, rien n'a été fait. Et ces questions ne sont d'autres que la question de bourse 2016-2017, dont les étudiants n'ont pas perçu, et à la question de l'aide sociale qui a fait plus d'un un an de retard. À cela s'ajoutent des réformes universitaires que le ministre de l'Enseignement supérieur et le recteur de l'Université de Niamey se sont concoctés pour imposer à l'université. Et ces réformes, malheureusement, plutôt que d'améliorer le rendement de l'université, vont dans le sens de détruire carrément l'avenir des étudiants parce qu'elles visent à suspendre ou à exclure systématiquement plusieurs milliers d'étudiants de l'Université de Niamey. Nous disons que ce n'est pas possible d'introduire des réformes pour diminuer le nombre des étudiants parce que tout simplement l'État est incapable de supporter le fonctionnement de cette institution. Gary Amadou, rapidement, quel commentaire après avoir écouté le secrétaire général de l'UNUN Oui, d'abord, je, vraiment, je, condamne l'agression dont le ministre a été victime. Parce que quand même, non, non, non ils n'ont pas, fait cas de cette, non, je cette dis pas déclaration. Que eux. On va, on va, on va revenir. Voilà. Donc, mais, ce que j'ai dit, c'est que euh, euh, euh, le gouvernement a raison peut-être de revoir la question de l'aide sociale. Parce qu'il faut, il faut quand même qu'on puisse mettre en, place des règles qui puissent permettre de donner l'aide sociale. Le paiement de l'aide sociale 2016-2017. Ça, je suis d'accord étudiants. Parce que c'est pas parce qu'on a tous été étudiants, c'est pas parce qu'on n'est plus étudiants qu'on va considérer que leur lutte n'a pas, de noblesse. Non. Il y, a, y, a, des revendications qui sont, sont toutes légitimes. Le paiement des bourses ah, Attends, je... Oui, parce qu'ils ont aussi des arrêts de bourse, n'est-ce pas Et d'autres problèmes au niveau de l'université de Niamey. Mais maintenant, euh, les points sur lesquels il y a une mésentente, le point le plus important, en réalité, c'est l'aide sociale. Parce qu'il y a des étudiants qui vivent de ça et qui considèrent que non, non, non quand on va, euh, quand on va appliquer les nouvelles règles, il y en a qui verront pas, qui, qui n'auront pas accès à cette aide sociale-là. Eh bien, il faut bien qu'on puisse mettre en place des règles très claires qui puisse permettre d'attribuer à qui le euh, mérite. Garé Amadou, c'est des acquis qu'il fallait sauvegarder. Non, je suis, je suis d'accord avec ce que le, mouvement scolaire fait, parce que nous, quand même, on était aussi étudiants. Je comprends l'attitude, mais aussi le gouvernement, il y a ce souci aussi de gérer passionnellement ces, ressources-là, de ne pas donner l'aide sociale à, tout étudiant qui mais vient à, ah, Même avant, ce n'est pas à tous les étudiants. Oui, mais il y, a des nouvelles règles, il y a des nouvelles règles sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Le gouvernement a dit non, on ne peut pas, c'est trop énorme on ne peut pas donner à tout le monde l'aide sociale. Il faut au moins ce que, vous savez, dans certains pays, dès que vous, atteignez la deuxième année, l'aide sociale est supprimée. Dans les pays où on donne la bourse deuxième année. Mais non, au Niger, on veut qu'on donne l'aide sociale jusqu'à. Non, ce n'est pas possible. Il Issa, quelques minutes seulement après, avant la fin de l'ultimatum de 112 heures de Lyonoun, la voiture du ministre des Enseignements supérieurs a été endommagée par plusieurs, euh, par les étudiants euh, sur la voie qui traverse la cité universitaire. Avez-vous d'autres précisions sur euh, cet incident? comme les autres Nigériens, on avait subitement eu vent de cette situation déplorable, il faut le dire. C'est vraiment déplorable quand même, euh, nous sommes au 21e siècle, mais quand même, au-delà de ça, nous sommes dans une société où nous devrons respecter nos supérieurs, nos autorités. Nous devrons les respecter. Nous ne devons pas nous comporter comme euh, des badauds. Mais, quand même. le ministre savait qu'il y a l'ultimatum qui est, lancé par les étudiants, par l'UNUN. Euh, pourquoi traverser cette mais écoutez, Non, écoutez, c'est ce que les gens. Moi, cette version-là, je l'ai écoutée plus de mille fois. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe Le ministre présidait la rencontre tripartite État, partenaire technique et financier au ESC qui se déroule au sein de l'EMIG. Et c'était le jour de la clôture. S'il vous plaît. Mais à cause de ça, mais, le mais ministre... Pourquoi ne pas déléguer son directeur du cabinet ou bien le Mais non, non, non, non, non. Moi, c'est ce que... Voilà, il y, a des choses qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est pour cela qu'une enquête devrait même être menée pour savoir est-ce que ce sont réellement des étudiants qui ont posé l'acte ou bien ce sont des badauds Parce que pourquoi j'ai dit des badauds Il y a des gens aujourd'hui qui vivent sur le campus qui ne sont pas étudiants, qui sont simplement des badauds qui profitent de l'université. Vous avez des preuves, Issa Non, ça, ça a été toujours dit. Même les enseignants-chercheurs l'ont dit qu'il fallait revoir tout cela. Tout, mais c'est le fait de s'attaquer vraiment à une autorité qui est déplorable. Imaginez, les gens, et si le garde du ministre riposte Parce que se trouve dans une situation de danger et il riposte. Comment qualifiez-vous ces actes mais de toutes les façons, moi je pense que euh, avant de poser certains actes, vous avez posé la manière la plus démocratique. C'est ce que euh, cette fois-ci, euh, selon c'est la CASO qui a pu secourir le ministre. Effectivement, c'est ce que les informations qui nous ont parvenues, c'est la CASO. C'est pour cela que j'ai dit une enquête devrait être menée pour situer les responsabilités de qui il s'agit. Est-ce réellement des étudiants ou bien ce sont des badauds qui ont profité de la situation Mais l'acte est déplorable. C'est pour cela qu'il faut dissocier le vrai étudiant du bado qui profite de l'acquis des luttes de pour vivre sur le campus. Hassan Boukar, euh, comment expliquer tous ces désagréments, notamment la récurrence des retards dans le versement d'argent attendu par les étudiants oui, c'est une situation difficile, mais moi je crains que ça ne, ça ne s'empire, hein, parce que là, euh, le projet de loi des finances 2019 est en discussion au Parlement. Euh, le gouvernement annonce déjà que en ce qui concerne les bourses et, ça va passer comme lettre à la poste. Bon, je peux pas, <laughs> peux pas le savoir. Mais, quand vous dites comme lettre à la poste, vous dites déjà à peu près la réponse. <laughs> Allez, je vous laisse assumer. Rapidement, Alors, non, non, ce que je veux dire, dans le projet de loi, le gouvernement dit par exemple que sur le volet subvention et transfert, euh, qui concerne à la fois les bourses à location, mais aussi les pécules de contractuels. Elle a quand même réduit près de 13 milliards si on devait comparer par rapport à l'année dernière. Et il disait par exemple que cette diminution va affecter les bourses et allocations parce que pour lui, euh, il y a des contraintes budgétaires qui font qu'ils vont appliquer de nouvelles mesures qui sont, qui, auxquelles euh, Gareth faisait allusion euh, il l'annonce déjà. Et donc là, déjà sur l'ancien, il n'arrive pas à s'entendre avec les étudiants. Pour les mois à venir, ça peut encore être difficile, puisque le gouvernement parle de contraintes budgétaires. Il y a peut-être une situation, mais je pense qu'il faut qu'il arrive à dialoguer et trouver une solution. Il y a souvent des difficultés, mais il faut dialoguer, à mon avis, pour trouver une solution. Regardez euh, rapidement, 30 secondes. Oui, en quelques les gens disent que oui, qu'est-ce que le ministre fait Non, la voie qui traverse le campus, là, elle va jusqu'au CHU, qui est un hôpital national public. Mais, il, peut, traverser la voie à n'importe quel moment. Dans un véhicule banalisé. À, non, non, même si. Mais, mais écoutez, le problème, c'est que quand il était au niveau de la fac des sciences, il y a eu une information qui a passé. On a donné l'information aux gens qu'il y a un tel qui est là, et apparemment, ils l'ont tendu dans Voilà, voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukar Diaba de la radio alternative, Garé Amadou du quotidien La Nation et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Mamanada pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarmak qui traitera de l'indice du développement humain IDH. Merci, au revoir.